Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garquois Maradi, ce forum est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 47 radios partenaires. À Maradi, vous écoutez euh, ce forum sur les ondes de la radio Garquois FM 107 MHz et la radio Saraunia sur les 102 MHz. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la gestion de la COVID-19 à Maradi quelle est la situation de la vaccination. À Maradi, depuis l'apparition du premier cas de la COVID-19, les autorités régionales ont mis en place un comité de riposte contre la maladie. C'est dans ce cadre qu'un centre a été créé dans le centre hospitalier régional de Maradi pour la prise en charge des personnes infectées et une large sensibilisation de la population a été initiée sur l'importance du respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus dans la région. Par ailleurs, une campagne de vaccination de la population contre la Covid-19 a commencé le 4 avril 2021 avec euh, le vaccin Sinopharm de la Chine et AstraZeneca de l'initiative COVAX. Depuis six mois et jusqu'à cette date euh, où nous parlons, 22 septembre 2021, la région de Maradi n'a pas enregistré de nouveaux cas d'infection à la COVID-19, selon la Direction régionale de la santé publique. À ce jour, quelle est la situation de la pandémie du Covid-19 dans la région de Maradi ou dans la ville de Maradi quel est le bilan de la prise en charge et de la vaccination contre la Covid Est-ce que la population de Maradi adhère aux mesures de prévention de cette maladie Nous tenterons dans cette euh, émission de répondre à ces questions et d'autres qui se posent autour de la pandémie de Covid-19 à Maradi, capitale économique du Niger et ville frontalière du Nigeria. Pour en débattre, nous avons invité Laouli Ndingas, membre de la coordination départementale des immunisations du district sanitaire de la ville de Maradi, Docteur Chebou Mei Daokali, responsable du centre de prise en charge des malades de la COVID-19 au CHR de Maradi. Ousmane Yakouba, il est le responsable de la brigade sanitaire euh, à la direction régionale de la santé publique, mais aussi membre de la cellule communication de la direction régionale de la santé publique. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Ousmane Yakouba, vous êtes donc, comme je le disais, à la Direction régionale de la santé publique. À ce jour, quelle est la situation de la pandémie euh, de Covid-19 dans la région de Maradi Merci bien pour tous les efforts euh, de tout le temps et ceux d'aujourd'hui. Euh, à la date d'aujourd'hui, la situation, en tout cas, est calme au niveau de la région de Maradi. Euh, depuis que les anciens cas ont été arrêtés, nous n'avons pas connu en tout cas de nouveaux cas depuis juin jusqu'à cette date. Merci euh, Ousmane Yakouba pour euh, ces précisions. Pour planter le décor, je vous invite à suivre le ministre de la Santé publique, Dr Ilyas Menassara lors de sa visite à Maradi le 7 septembre dernier. Par rapport à la vaccination et Covid, et en tout cas, il faut euh, féliciter euh, la, région. Si vous l'avez constaté, c'est pour ça, cette fois-ci, on a dit d'orienter beaucoup de vaccins vers Maradi. Vraiment, c'est un centre névralgique. C'est la capitale économique. Il y a trop de brassages. Et la population est importante. S'il y a une proportion importante de la cible qui est vaccinée à Maradi, on arrive à avoir à Tawa, à Zender, on peut prétendre avoir même l'immunité collective. Donc, Vraiment là également, j'attire l'attention de tous les agents à tous les niveaux, les responsables de la case de santé jusqu'au DRSP, à s'impliquer dans la vaccination contre la COVID-19. Les vaccins sont disponibles. Aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont pas eu cette opportunité. On a Sinopharm, on a AstraZeneca, on a Johnson. Bientôt, on va avoir le vaccin Pfizer, plus de 800 000 doses on va encore réceptionner Sinopharm, près de 800 000 doses. Si aujourd'hui, on a la capacité de consommer, en un mois, on peut réceptionner, je parle sous le contrôle de l'OMS, qui est dans la facilité COVAX, on peut réceptionner jusqu'à 2 millions de doses de vaccins. Il y a des pays qui le cherchent. On a cette opportunité. Donc, il faut que, à tous les niveaux, qu'on sensibilise pour que les gens soient vaccinés. C'est vrai, Maradi aujourd'hui a fait pratiquement six mois sans enregistrer des cas de, Covid. Ça, c'est très bien. Donc, il faut continuer à vacciner. On est seulement à 4% de la cible vaccinée. Or, le vaccin est là. Donc, il faut continuer à vacciner la population. Vous venez d'écouter le ministre de la Santé publique, Dr Ilyas Soumenassara, sur la vaccination contre la Covid-19 lors de la réunion de synthèse euh, après sa mission de travail de trois jours dans la région de Maladie. Alors nous allons vers vous, Monsieur Laoulit Ndungas. Je le disais, vous êtes donc euh, euh, de la coordination des immunisations au niveau du district sanitaire de la ville de Maradi. Vous venez d'écouter le ministre. Quel commentaire euh, suscite cette réaction du ministre Comme le ministre l'avait dit, c'est que depuis lors, nous n'avons pas eu de cas. Mais ce que nous voulons que les jeunes viennent se faire vacciner. Il y a la disponibilité des vaccins au niveau de nos services. Donc euh, j'attire l'attention de ces gens qui viennent se faire vacciner. Alors comment, se déroule, euh, ou bien comment se sont déroulées ces vaccinations Bon, ces vaccinations, nous avons ouvert des sites de vaccination qui sont nos 10 CSI au niveau du CHR de Maradi, au niveau de, de FAN, Forces armées nigériennes, au niveau de la gendarmerie, de la police, le centre de santé mère-enfant et l'hôpital de référence, en dehors de nos 10 CSI. Et en plus de cela, nous avons des équipes qui bougent. Par exemple, les services techniques, les services régionaux, on va vers eux pour les faire vacciner. Donc au total, on a 17 sites, plus euh, les deux équipes qui sont en pleine activité. À la date d'aujourd'hui, on peut avoir les chiffres des personnes vaccinées Oui. Par rapport à la vaccination, au total, nous avons eu à vacciner 4865 personnes de 18 ans à plus, ce qui nous donne un pourcentage par rapport à notre cible de 34,29%. Ousmane Yakouba, qu'est-ce qu'il y a eu comme sensibilisation des populations sur l'importance de, de, la vaccination euh, Les efforts qui ont été faits par rapport euh, à la sensibilisation, c'est les interventions, euh, en tout cas au niveau des services de santé eux-mêmes, parce que quand on reçoit les gens, on les sensibilise un autre élément, euh, le canal, c'est les radios. Euh, on saisit beaucoup d'occasions, en tout cas avec vous principalement, pour s'adresser à la population, en tout cas, et expliquer la maladie et lancer un appel pour que les gens, en tout cas, viennent se faire vacciner parce que le vaccin est disponible, la cible est là, les agents de santé sont là. Donc, il faudrait que vraiment les gens viennent se faire vacciner. tous ces messages-là ont été, en tout cas, envoyés au niveau des districts et globalement, dans la région, en tout cas, les messages sont en train d'être développés pour que le maximum de la cible soit atteinte et comprenne bien la maladie. Docteur Chebou, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Beaucoup de personnes ne souhaitent pas se faire vacciner pour la simple raison qu'il y a plein de rumeurs qui circulent à propos. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que vous avez fait tant que responsable de lutte contre euh, la Covid pour lutter contre euh, euh, ces désinformations. Il est bien vrai que au lendemain où ces vaccins ont été mis à la disposition des populations, les rumeurs ont coulé, comme quoi c'est des effets secondaires, c'est ceci, c'est cela. Bon, pour ce qui est de la région de Maradi, je pense que jusque-là, nous n'avons pas notifié d'effets secondaires notables parce que les effets secondaires, il faut les classer en grade 1, 2, 3. Donc c'est juste des céphalées, euh, souvent quelques fièvres, puis des petits malaises. Et ça, c'est des choses qui sont très fréquentes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, il n'y a pas de médicament sans pour autant avoir un effet secondaire. Il n'y en a pas. Et surtout en matière de vaccination. Quand vous prenez chez les enfants, c'est très fréquent. Ou dans le cadre du PEV, certaines vaccinations, dès qu'on les fait, on prévient la maman. C'est des céphalées, c'est la fièvre, l'enfant va pleurer. Et donc c'est comme ça. Donc ce sont des effets secondaires très bénins et qui ne nécessitent pas vraiment une hospitalisation ou bien quoi que ce soit. Voilà des cas qu'on avait eu. Donc la population, il y avait eu des rumeurs comme quoi il y a des effets secondaires. Mais moi je tiens à rassurer la population que ces vaccins qu'on a ici à notre disposition n'ont aucun effet secondaire notable qui peut nuire à la santé de la personne. Jusque-là, on n'a pas notifié le cas. Alors, docteur, comment expliquer à ces populations l'importance de se faire vacciner euh, cette population doit se dire aujourd'hui que c'est vraiment une arme qu'on a contre la maladie à coronavirus. En dehors de tout ce que mon ami a dit sur les mesures barrières, aujourd'hui, c'est ce qui nous permettra demain d'être encore vraiment plus aptes à lutter contre cette maladie. Parce qu'une personne immunisée, c'est vraiment toute la population qui est protégée. Cette maladie, on voit combien elle fait des ravages ailleurs. Et je pense que si nous, on prend déjà de l'avant en se faisant vacciner, on réduit vraiment de très grande échelle la transmission de cette maladie. Donc c'est vraiment pour mettre fin à la transmission de cette maladie. Voilà un peu. Est-ce que se faire vacciner veut dire être immunisé contre la COVID-19 Oui, c'est l'objectif à viser à travers la vaccination. Parce que sur le plan euh, immunité, c'est le produit même, ou bien le virus même qu'on injecte, qui, après va permettre à ton organisme de se défendre. Maintenant, quitte à voir prochainement, quand tu seras en contact avec ce, euh, virus, tu ne pourras pas développer la maladie. Même si tu dois la développer, ce serait à moindre effet. Donc, pas avec les effets que l'on voit des malades qui sont couchés, des malades qui sont sous oxygène vraiment, c'est l'objectif de vraiment euh, déjà donner à l'organisme une immunité contre ce virus. Merci docteur. Euh, euh, monsieur Laolid Degas, est-ce que les rumeurs que nous avons évoquées ont eu un impact sur la vaccination à votre niveau Les rumeurs ont eu beaucoup d'impact par rapport à la vaccination. Si nous prenons notre par rapport à notre cible et ce que nous avons vacciné, il y a un grand écart. Rappelez-nous la cible et la vaccination et, les personnes. La cible, on a une cible de 14 187 que nous devrons vacciner de 18 ans à plus. nous avons eu à vacciner que 4 600 et quelques. Donc il nous reste beaucoup à faire. Un écart de près de 9 000. Donc c'est-à-dire que les gens doivent venir pour se faire vacciner. Que de rester. Donc euh, l'effet de Rimer a beaucoup joué sur vraiment le fait que les gens ne ne euh, viennent pas au service de santé. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, donc nous avons des sites de vaccination et encore nous rapprochons de ces cibles-là par des équipes qui vont vers cette population. Alors, est-ce que euh, la vaccination se poursuit Exactement, la vaccination se poursuit. Au niveau de tous les sites que j'ai cités, donc nous avons le vaccin disponible le vaccin AstraZeneca est disponible, le vaccin Sinopharm est disponible, le vaccin Janssen est disponible au niveau de toutes nos structures sanitaires. Le vaccin, comme vous l'avez dit, AstraZeneca aurait atteint sa date de péremption et que cette date est désormais dépassée. Est-ce que vous confirmez ou infirmez cette information Par rapport à AstraZeneca, effectivement, au début, quand nous avons reçu les premières doses, mhm. c'était un vaccin qui se périme au sixième mois. Donc, ce vaccin, nous avons eu à vacciner toutes nos doses qu'on a mis à notre disposition. Donc, pour la deuxième dose, comme c'est un vaccin qui se fait en deux doses, donc la seconde tranche, pour ceux qui ont reçu leur première dose et qui n'ont pas reçu leur deuxième dose, maintenant nous avons reçu des vaccins AstraZeneca à notre disposition. Pour ceux qui n'ont pas reçu leur deuxième dose, qu'ils viennent compléter leur vaccination. Et la même chose pour Sinopharm. Mais gens sont, on a, sont disponibles. Ça, c'est en une seule dose. On attend toujours la population pour venir se faire vacciner. Deux fois, c'est nous-mêmes au niveau du district qu'on appelle ces gens à qui on a donné rendez-vous, comme ils ont été enregistrés avec leur numéro de téléphone. Donc on les appelle pour qu'ils viennent se faire vacciner. Alors, Ousmane Yakouba, nous allons tourner vers vous pour euh, clore cette question de vaccination. Euh, vous avez entendu Chebou, docteur Chebou, vous avez entendu Laoul Dengas. Euh, vous êtes communicateur. Globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous rajouter C'est que la nécessité de venir se faire vacciner, elle s'impose d'elle-même. Parce que c'est d'une pandémie qu'il s'agit. Une pandémie, c'est-à-dire une maladie qui touche toute la planète. Les autres pays euh, sont en train de faire des efforts pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. L'immunité collective veut dire qu'au sein d'une population, il faudrait que 70 à 80 de la population soit vaccinée pour qu'on soit protégé au sein du pays Niger. Parce que l'OMS surveille les États. On surveille le Niger, on surveille les autres États. Tous les pays de la planète, l'OMS a un regard sur ça. Donc il ne faudrait pas que le Niger soit à la traîne pour qu'on soit accusé sur le plan mondial que c'est le Niger qui n'a pas atteint l'immunité collective et c'est pour ça que la maladie n'est pas encore partie. Donc on ne vit pas seul sur la planète. Il faudrait que ici au Niger, précisément à Maradi, que la région de Maradi arrive à atteindre ce qu'on appelle l'immunité euh, euh, collective en vaccinant au moins 70% de sa population cible. Voilà de quoi, euh, de quoi il s'agit globalement. Et cela est possible C'est bien possible. C'est bien possible parce que le vaccin est là, et la maladie, elle fait des ravages, c'est une réalité, elle tue. Donc, par conséquent, l'être humain a intérêt à, faire, à se faire vacciner. Du moins que le danger est là. Le danger, s'est démontré de lui-même. Il y a eu des cas. On avait euh, dans la région de Maradi 67 euh, cas et 9 décès. Les chiffres sont là. Heureusement, depuis cette date-là, on n'a pas encore arrêté d'autres cas. Mais c'est lié aux efforts fournis par la région. On a fait tellement de sensibilisation intense, les gens ont fait attention euh, dans la fréquentation des centres de santé, parce qu'à un moment donné, nos, taux de fréquentation des services de santé ont diminué, parce que les gens ont peur de la maladie quand tu vas à la santé, tu as l'idée que tu vas euh, attraper le coronavirus. Et c'est après que les gens, en tout cas, sont ressaisis. Ils sont ressaisis par le lavage des mains, ils sont ressaisis par la distanciation. Et c'est tous ces efforts-là qui ont fait en sorte qu'il y a un silence, il n'y a plus de cas. Mais on craint un rebondissement parce que vous avez bien entendu le monsieur de la Santé, il dit que la région de Maradi, c'est un carrefour. C'est un centre commercial. On reçoit tous les pays voisins, on reçoit toutes les régions. Donc c'est un carrefour de passage. Il ne faudrait pas aussi que ça soit un carrefour de distribution de la maladie du fait de notre eh, responsabilité de ne pas se faire vacciner. Donc j'en appelle la population à, faire se, euh, euh, euh, à, se faire vacciner parce que eh, même s'il y a un effet indésirable, la prise en charge existe, quel qu'en soit l'effet, en tout cas au niveau de CHR de maladie. Eh, nos professionnels sont là, donc la prise en charge existe. Donc il y a plus raison d'avoir peur de se faire vacciner. Parlons à présent de la gestion proprement dite de la maladie à maladie, Docteur Chebou, vous avez géré les cas au CHR de maladie. Comment cette prise en charge s'est déroulée Je pense qu'on était une unité qui était dans le comité de riposte contre la maladie. Parce que Maradi a été la première région après Miami à avoir, ou bien avoir notifié des cas. Et c'est vrai, comme l'a dit Ousmane, la riposte a été vraiment farouche que vraiment on a eu des cas d'abord à deux, trois malades, un, deux, trois malades, sauf à la deuxième vague où on a eu d'emblée 6 à 7 malades. Donc on a vraiment été efficace dans le plan de la prévention. Alors toutes les mesures que vous connaissez, euh, à savoir la fermeture de certains lieux de culte, la fermeture des mosquées, le respect des mesures barrières, de l'hygiène des mains, ça, ça a beaucoup eu d'effet, si je peux le dire, sur le nombre de cas à Maradi. Parce que je pense que Maradi est la première ou la deuxième région de Niger à avoir moins de cas encore par rapport à certaines régions comme Zender, comme Tawa, comme Agadez qui ont eu vu les premiers cas après que maladie a eu à avoir, un mois après maladie. Donc vraiment, c'est dire que la prise en charge a été, n'a pas été facile, n'a pas été encore difficile. Surtout que vous savez, à l'époque, c'était des rumeurs sur la maladie. Les gens, avec difficulté, on a pu les gérer, mais quand bien même, sur le plan de la prise en charge, on n'a pas eu de difficultés. Et ça s'est très bien passé. On a été une équipe euh, vraiment très dynamique, euh, avec l'appui la Direction régionale de la santé, qui nous a appuyé en tout ce qui est en temps et, comment on appelle ça, logistique dans le cadre de la prise en charge. Justement, euh, c'est vrai, vous l'avez dit, vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés, mhm. mais euh, dites-nous euh, les quelques difficultés auxquelles vous avez fait face. Bon, les quelques difficultés, c'était juste lié souvent d'abord au confinement des cas suspects. Bon, des cas contacts, si on peut les dire. Euh, qu'est-ce que vous appelez cas contact C'est-à-dire si aujourd'hui tu es dépisté positif, ça veut dire tout qui a été, toute la chaîne de personnes que tu as contactées dans les 24-48 heures sont des cas contacts. Et maintenant, la difficulté, c'était surtout euh, par rapport à l'accompagnement de la famille. C'est vrai, il y a des familles qui ont été un peu résistantes. Parce que, bon, comme vous le savez, des rumeurs couraient comme quoi, non, non. Il y avait une prime quand tu déclares déjà un cas, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'était ça qui nous a beaucoup un peu, comment on appelle ça, mis mal à l'aise. Mais sinon, je dirais que dans l'ensemble, la prise en charge n'a pas été trop difficile. Nous savons que euh, Maradi a eu aussi euh, des appareils pour faire sur place les tests. Cela aussi a facilité la prise en charge Oui, Maradi, comme je l'ai dit, a été encore parmi les régions qui ont bénéficié de l'appareil de PCR. C'est vrai, nos premiers cas, on envoyait jusqu'à Zender, et eh, pardon, jusqu'à Niamey pour faire le test. Mais après, Maradi a été la première région à avoir son appareil PCR Covid. Et cet appareil a beaucoup été d'une grande utilité parce que DIFA Zender envoyé pour faire le test ici, jusqu'à ce qu'eux aussi soient autonomes. Donc, c'était ici même qu'on faisait les tests PCR. Donc on n'avait pas eu de difficulté d'attendre des résultats ou bien non, non, non. Merci docteur. Euh, Ousmane Yakouba, à votre avis, est-ce que la communication a marché dans la gestion de la COVID-19 ici à eh, La communication a effectivement eh, marché dans la gestion de cette pandémie, puisque nous vous l'avons dit, les gens ont prêté attention quant au respect du lavage des mains à travers les canaux et qu'ils ont appris à travers les affiches, les visites euh, des services où nous communiquons en tout cas les gestes barrières, et les gens ont appliqué et ça a donné beaucoup plus de résultats. Et je profite de l'occasion pour euh, vraiment dire à la population que euh, nous sommes dans une tendance à la maîtrise, en tout cas, de la situation au niveau de la région, mais il faut avoir à l'esprit la notion de voyage. Les gens voyagent. Nous sommes dans une région de commerce, les gens voyagent même à l'étranger. Et là aussi, la nécessité de se faire vacciner, en tout cas, elle s'impose faudrait que les gens qui voyagent à l'étranger s'assurent qu'ils ont leur vaccination. C'est extrêmement important pour ne pas aller dans une zone où la prévalence de la maladie est très élevée et que les gens rentrent dans une zone de risque. Et au retour, euh, c'est ce n'est pas souhaitable en tout cas d'avoir une euh, situation réimportée encore qui risque de nous compromettre en tout cas et la lutte c'est extrêmement important. Après donc euh, les réunions du comité euh, qui se tenaient chaque week-end, euh, quelles sont d'autres actions que vous avez eu à faire vraiment pour sensibiliser la population Les actions des réunions, c'est important. Il y a eu des réunions de plaidoyer avec les leaders religieux qui ont apporté un grand appui en tout cas dans cette lutte. Il y a eu des réunions de plaidoyer avec aussi les chefs des quartiers qui, à leur tour, en tout cas, ont lancé la communication de leur quartier il y a eu des actions d'information et de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Et je ne loue pas ici le grand apport apporté par les étudiants de l'université d'Andekodan Kolodo qui étaient avec nous, en tout cas, et, y compris les, euh, animateurs de la Croix-Rouge. C'est des gens qui ont beaucoup plus aidé, en tout cas, dans la frange de la jeunesse et qui nous a permis, en tout cas, de faire respecter les barrières, les gestes barrières, en tout cas, au sein des établissements et des ménages, parce que c'était des approches ménage par ménage que nous avons eu à faire avec euh, les animateurs de la Croix. C'est extrêmement important ça. Euh, euh, quel constat faites-vous aussi de la participation des projets ONG dans la lutte contre la COVID-19 C'est un apport extrêmement important du moment que ces ONG nous ont appuyés dans deux volets. Le premier volet, c'est les entrants. Voyez-vous, tous les dispositifs de lavage des mains et le chlore qu'il faut, ou bien euh, un peu de la solution hydroalcoolique euh, pour euh, vraiment la désinfection des mains. Ça, les ONG ont apporté leur contribution par rapport à ça. Et deuxièmement, dans la communication, il y a eu beaucoup plus d'efforts parce que c'est surtout leurs animateurs que nous euh, utilisons pour aller dans la collaboration sur le terrain. Ils nous ont beaucoup été aidés, en tout cas dans les districts surtout, pour rattraper la population, surtout dans les villages les plus reculés. Ça, ça a été d'une importance euh, contribution. Nous savons que vous avez eu à faire des visites, euh, former des populations surtout de Maradawa, Limanchi, euh, expliquez-nous un peu à quoi consistait euh, votre le Le mécanisme, c'était effectivement avec euh, Plan Niger. Donc, il y a eu des quartiers ciblés. Et ils ont recruté des animateurs dans les quartiers et nous avons procédé à leur formation. à l'issue de la formation sur la lutte contre Covid-19, on a élaboré avec eux ce qu'on appelle un plan post-formation. Le plan post-formation consiste à aller chacun dans son quartier faire des visites à domicile, faire des réunions de quartier, des sensibilisations dans les lieux publics pour un peu rappeler le danger de la maladie. Et rappeler en tout cas les mesures barrières pour contribuer à la lutte et ça a été d'un grand apport en tout cas dans euh, l'atténuation en tout cas des effets que nous avons connus précédemment. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées euh, dans votre activité de communication, de sensibilisation Oui, les difficultés, euh, techniquement, il n'y a pas de difficultés, mais c'est du côté de la population en termes de collaboration c'est là-bas et la grande difficulté. certains, quand on vient, soit de leur, quartier, bon, ils ont toujours la rigidité par rapport à la première pensée de la maladie. Et donc là, et nous souhaiterons que les gens abandonnent cette rigidité. Ce n'est plus ce monde-là où il faut se cantonner sur sa pensée que telle maladie est cela, que c'est tel acteur qui a amené la maladie. Non, nous ne sommes pas là. Il faut être au-dessus de la mêlée, il faut être réceptif. Donc c'est ça notre difficulté, et le caractère non réceptif en tout cas de certaines euh, poches de la population. Je ne dis pas tout le monde est hein. Mais il y a des cas qui sont encore là et qui nous appartiennent tous, les acteurs en tout cas, de faire travailler ces esprits-là pour qu'ils cèdent en tout cas le passage à la lutte afin qu'elle soit beaucoup plus euh, porteuse. Quelle est la perception de la maladie ici à Maradi La perception de la maladie, bon, pour eux, c'est une maladie euh, un peu inventée, s'il faut dire le mot. Les gens ont inventé et de l'assureur et nous, agents de santé et plus les autres, on a tendu la main, on a pris en tout cas cette invention-là pour la réintroduire de la communauté. En quoi ça nous arrange On ne peut pas se départir de sa communauté parce que nous n'avons pas une autre planète. C'est la même planète Terre, on vit ensemble, on vit les mêmes risques, on a les mêmes dangers. Donc il n'y a aucune raison de dire qu'un tel a inventé la maladie. S'il a inventé la maladie, c'est un virus, qui circule partout, hein, on ne le voit pas. Donc euh, la raison, le stéréotype qui dit que non, telle maladie est ici et là, elle a été inventée, non, vraiment ça, ça ne tient pas. Laissons ça dès maintenant, il faudrait que ça tombe à l'eau. Euh, vraiment, allons-y ensemble, allons-y ensemble, allons-y ensemble contre cette maladie-là. Monsieur Lavoli, vous êtes euh, de la coordination des immunisations, donc tout ce qui est vaccination. Nous avons compris qu'à ville, vous avez des problèmes dans, dans la vaccination. Est-ce que hum, ce passé que vous traînez a impacté euh, sur la vaccination euh, contre la Covid Par rapport à la vaccination Covid, effectivement, il y a des réticences des gens. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas favorables à la vaccination. Et qu'est-ce qui fait ça Ce sont les rumeurs. Les rumeurs qui ont couru. Donc pour, qui ont fait peur à ces gens-là de ne pas venir se faire vacciner. Est-ce que les problèmes que vous rencontrez euh, pendant les autres vaccinations qui ne sont pas les vaccinations Covid, par exemple vaccination polio et autres, euh, parce que nous savons que vous avez eu toujours des cas de, refus. Est-ce que euh, cela a contribué à vous compliquer encore la tâche de la vaccination contre la, la Covid Par rapport aux autres vaccinations que nous faisons, nous n'avons jamais eu de complications ou bien d'impact par rapport à cette vaccination. Docteur, euh, votre euh, site euh, de prise en charge est toujours fonctionné oui, le Parce que ça fait six mois qu'on n'a pas, <laughs> pas de cas. Oui, ça fait six mois qu'on n'a pas de cas, mais ça ne veut pas dire que le site a bougé. Le site est toujours là, le personnel est toujours là, les médicaments sont là. Et si aujourd'hui on nous dit qu'il y a un cas, vraiment toute l'équipe se déploie et puis bon, on met tout en œuvre et puis on prend en charge le malade. Merci docteur. Ousmane Yakuba, quelles sont présentement les mesures prises pour la surveillance de la maladie notamment la frontière avec le Nigeria. Euh, oui, ça c'est un aspect très important. Au niveau de la frontière d'abord, il y a deux frontières. Il y a la frontière terrestre. Au niveau de la région de Maradi, nous avons quatre postes de euh, contrôle euh, frontalier qui sont fonctionnels. Et il y a des agents là-bas qui font le contrôle de température, la désinfection et la sensibilisation donc c'est tantôt Zululu, c'est tantôt dans Issa, Gidankane et Bozozoa. Et une autre frontière aérienne, c'est au niveau de l'aéroport de Maradi. Nous avons, à chaque vol, arrivée et départ, nous avons nos agents qui vont là-bas pour la prise de température, pour la désinfection du locaux et la sensibilisation en tout cas des passagers par rapport au respect des mesures barrières. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, par rapport à ces points d'entrée-là, nous n'avons pas, en tout cas, enregistré des problèmes, parce que c'est des intellectuels, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau des frontières terrestres, euh, compte tenu de la migration, du mouvement commercial, ça, c'est extrêmement difficile. un autre élément et qui est euh, très important par rapport aux mesures, c'est au niveau de la désinfection la désinfection, chaque fois que des besoins. en tout cas, nous avons des établissements publics qui sont euh, encore euh, désinfectés. Généralement, c'est les établissements des humanitaires. On a beaucoup d'agences ici à Maradi, et des représentations des organisations internationales, et nous avons un calendrier régulier pour désinfecter leurs locaux parce que c'est des gens qui vont à l'étranger. Donc nous avons pris des mesures en sorte que quand il y a des gens qui viennent euh, d'une mission, de l'étranger, quoique, en tout cas, ils sont contrôlés au niveau de l'aéroport, mais au niveau de leur siège, leur bureau, la désinfection est de rigueur. En tout cas, l'utilisation des gels hydroalcooliques et le rappel des gestes barrières, ça, on le fait chaque fois qu'il y a besoin. Quel constat faites-vous dans le respect des mesures barrières Le constat, c'est qu'on a constaté un relâchement dans surtout le port de bavette et un peu la distanciation parce que euh, l'ambiance a repris comme si les gens pensent que la maladie est partie, parce que ça fait six mois qu'il n'y a plus de cas. Les gens pensent que le diable est parti, comme on dit, mais euh, on informe les gens que le diable n'est pas parti, il est encore là avec nous. Il est encore là parce que c'est une pandémie. Euh, nous sommes aujourd'hui à Maradi, quelqu'un peut venir de Dubaï, revenir à Maradi, et mais il compromet la lutte. Euh, donc nous avons constaté effectivement ce relâchement-là. Donc euh, j'appelle les gens en tout cas à se ressaisir par rapport aux mesures barrières et qu'on euh, n'a plus raison de faire comme si la pandémie est finie tant que en tout cas le ministre de la Santé n'a pas déclaré en tout cas la fin de cette maladie dans le pays. Nous savons de temps en temps, votre service fait des visites dans les services publics et même privés. Jusque-là, les gens ont commencé à oublier la maladie. Non, en fait, par rapport aux services et même les privés, il y avait une réunion, en tout cas, et, euh, qui a regroupé tous ces acteurs au niveau du gouvernorat. Le comité a lancé le message pour que euh, tous les responsables de ces établissements la prennent des mesures. c'était très bien au premier tour. Il y avait les dispositifs devant les boutiques, devant les bureaux, euh, pour qui connaissait Maradi pendant que la pandémie était un peu foudroyante. Il y avait tous ces dispositifs-là. On ne rentre pas dans les boutiques, dans les magasins, dans les services sans se laver les mains à l'entrée à la sortie. C'était très bien. Mais il y avait un relâchement. Donc, euh, les gens ont l'information. je dis bien, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a absence de cas pendant six mois. Mais ce n'est pas euh, une raison, en tout cas, de ne pas respecter les mesures, parce que les mêmes mesures sont valables pour les autres maladies transmissibles. Ça, je le rappelle. Euh, nous avons connu le choléra cette année. Le lavage des mains, c'est ça qu'on appelle le vaccin maison laver les mains, c'est vaccin maison contre le choléra, contre beaucoup de maladies transmissibles. Donc, même si coronavirus, en tout cas, et la maladie est finie, les autres maladies liées au manque d'hygiène, à la mauvaise hygiène, elles sont encore là. Prenons garde, respectons les mêmes mesures. donc, euh, ayons une culture d'hygiène, en tout cas, comme on le dit, pour que cela nous serve très bien dans notre état de santé. Merci. Merci Ousmane. Euh, quand la poursuite, vous avez parlé effectivement que euh, la vaccination se poursuit. Est-ce que ceux qui ont eu leur euh, première dose ont pu faire la, deuxième Selon le calendrier vaccinal, entre la première dose et la deuxième dose, il y a un temps qu'il faut le faire respecter. Et c'est combien de temps qu'il faudrait respecter À tous les antigènes que nous disposons. AstraZeneca, quand tu penses, c'est de 8 à 12 semaines et formes, de la première dose, c'est trois semaines pour avoir sa deuxième dose. Donc, ces vaccins-là sont disponibles au niveau de nos formations. Et Janssen, ça se fait en une seule dose. Hmm. Est-ce que, est-ce que ceux qui ont la, première dose viennent euh, volontairement pour la deuxième dose Oui, nous, nous, accueillons des gens qui viennent réclamer leur deuxième dose, effectivement. Hmm. Et nous consultons nos registres à tous les niveaux pour voir ceux qui n'ont pas reçu leur deuxième dose. On les appelle, pour qu'ils viennent compléter leur vaccination. Hmm. Et si on a juste la première dose, euh, on refuse de venir faire la deuxième dose, est-ce que euh, ça a des conséquences Ça, sur le plan. Nous, on, fait, on appelle les gens à venir vraiment, à les sensibiliser, à les rapprocher de nous, donc pour qu'ils viennent vraiment se faire vacciner. Docteur, docteur peut-être que vous pouvez répondre à la question. C'est vrai, il y a des gens qui viennent faire la première dose mais qui euh, sont voilà, réticents ou bien pensent que bon, peut-être la seule dose euh, peut leur suffire. Et puis, est-ce que ça a des conséquences quand on refuse de ne pas venir faire la deuxième dose Effectivement, ça a des conséquences parce que cette vaccination, elle est bien codifiée. Dès lors qu'on dit que deux doses, à deux doses, tu es considéré comme immunisé. Donc, quand tu fais une seule dose et que tu n'as pas fait la deuxième dose, ça veut dire que tu n'es pas immunisé. Donc, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc ça, j'interpelle ou bien j'en à tous ceux qui ont fait la première dose, c'est vraiment de profiter de l'occasion pour en faire la deuxième dose. Sinon, c'est comme s'ils n'ont rien fait. La deuxième dose, ça te fait déjà une couverture, et bien une immunité acquise comme ça. Docteur, euh, il a parlé de 8 à 12 jours d'intervalle. 12 semaines. 12 euh, semaines d'intervalle, mais si on dépasse ce temps, euh, est-ce que euh, la première dose, est, il faut reprendre encore Mais qu'est-ce qu'il faut faire Si on dépasse ce temps, il ne faut pas reprendre. Il est bien vrai que, comme l'a dit euh, laoline la première vague de l'AstraZeneca qui nous a été servie périmée en juillet. Donc, du coup, tous ceux qui ont été vaccinés allaient attendre la deuxième dose. Et comme il l'a dit, la deuxième dose est venue à temps, si on peut le dire, hein, parce que même si tu dépassais les, euh, les 8 semaines, jusqu'à 12 semaines, ça veut dire qu'il y aura encore 4 semaines, donc un mois. Et je pense que cette dose, ou bien ce, cette deuxième vague de, est venue dans les temps de 8 à 12 semaines. Vous comprenez Donc, tous ceux qui ont eu la première dose, effectivement, moi j'ai eu quelqu'un qui m'appelait chaque fois. Et je lui ai promis que chaque fois qu'il y a la deuxième dose, ou bien quand la deuxième vague va arriver, je vais l'appeler. Et c'est comme ça que j'ai appris que euh, c'est arrivé, je l'ai appelé, et il est parti lui-même pour se faire la deuxième dose. Donc faire entre 8 ou 12 semaines, c'est la même chose. Maintenant, si tu dépasses les 12 semaines, vraiment, il faut te considérer comme si tu n'étais pas vacciné. Parce que la deuxième dose doit intervenir dans ce délai et elle complète la première dose. Donc si tu ne le fais pas dans les délais, donc vous voyez ce que ça fait. Donc c'est vraiment bien de respecter les délais. Ça, c'est important. Le blanc, ben, je dirais que ça n'a pas été fait pour rien. Voilà. Euh, le Niger a réceptionné euh, un autre lot d'AstraZeneca, comme vous l'avez dit, de, la part du Canada. Euh, quelles sont les perspectives de vaccination Vous continuez toujours à inviter les gens Jusqu'à aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, donc nous continuons à inviter les gens à, se faire, à venir se faire vacciner. Et donc le vaccin est disponible. D'accord. Nous allons, nous allons faire un tour de table euh, maintenant euh, avec vous, Ousmane. Qu'est-ce qui a fait défaut dans cette gestion de la COVID-19 et qu'il faut corriger, selon vous Enfin, euh, on ne parle pas de défaut a priori, puisque nous, techniquement, en tout cas, les techniciens sont là, les dispositifs est là, la sensibilisation a marché, vraiment la prise en charge a marché. Donc, euh, en termes d'évaluation, il n'y a pas de défaut de notre côté. Mais s'il y a à corriger, peut-être c'est du côté du comportement de la population dans sa collaboration. Nous avons eu beaucoup de batailles, en tout cas avec les gens, dans, surtout au CHR, au service des entrées. Voyez-vous comment les gens en masse, ils veulent rentrer sans masque, ils veulent visiter les pavillons pendant que la pandémie, en tout cas, est, euh, en tout cas, est là, elle est présente le danger est là. Donc ça, c'est euh, ce qu'il faut corriger c'est le côté population, en tout cas dans son incompréhension, dans sa fabrication de stéréotypes autour de la maladie, et que c'est ceci, cela, les agents de santé, non, on n'est pas encore là. Donc c'est cet élément-là qui est à corriger et ça se fait ensemble. Ça se fait ensemble par tous les acteurs. C'est pas la population seule, c'est pas nous seuls, c'est tout le monde. Les ONG, les associations, les leaders religieux, chacun en ce qui le concerne, en tout cas du côté de sa sensibilité, s'il peut ajouter un plus il n'a qu'à continuer la lutte pour que les gens comprennent que non, non, on n'est pas là pour fabriquer un virus et l'envoyer pour un rien, pas du tout. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Avez-vous des conseils pratiques à l'endroit des, populations de maladies et du Niger en général Les conseils pratiques, c'est que euh, les gens, par rapport à la vaccination, par exemple, voyez-vous, euh, la gamme des vaccins est en train d'être multipliée, non depuis sinon, on a encore Astra, Astra, on a fait 16 qui va venir bientôt. Ça, c'est les efforts de la science. Et ça n'est pas fini. La science continue, les hommes sont au laboratoire actuellement, jour et nuit, ils continuent à chercher jusqu'à avoir en tout cas la solution globale. Donc si de l'autre côté, la science est en train de faire des efforts, mais nous, tout ce qu'on attend de nous, c'est de venir prendre les résultats de la science. Et voilà que les gens traînent les pieds à venir. Donc venir se faire vacciner, c'est la seule contribution, en tout cas la meilleure des contributions qu'on attend du côté de la population de Maradi pour qu'on arrive à atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire l'immunité de masse qui protège la population de la région de Maradi contre cette pandémie-là. Voilà à peu près en tout cas ce qu'on attend de tout le monde, chacun en ce qui concerne en tant que citoyen. Docteur, de votre côté, euh, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas beaucoup, euh, qu'est-ce qui a fait défaut dans la gestion de la Covid et qu'il faudra corriger ah, Moi, je ne parle pas, ben, je parlerai pas en termes de défaut. Euh, sur la prise en charge, parce que, comme l'a dit Ousmane, tout ce qui est nécessaire a été mis en place, mais seulement c'est au niveau de la population, mais de la communauté. C'était une maladie qui a été, dès au départ, mal vue, comme il l'a dit, avec beaucoup de stéréotypes. Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à propager des fausses informations sur cette maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens se rendent à l'évidence que c'est vraiment une maladie réelle des pandémies ont existé dans les années 1920, hein, pour lesquelles je pense que la population a été pour quelque chose dans la riposte. Et pourquoi aujourd'hui, encore en 2021, les gens se cachent derrière les réseaux sociaux, bien certaines spéculations, pour ne pas nous aider à combattre cette maladie. les, conseils pratiques que vous avez pour la population de maladie les et même du C'est vraiment, comme l'a dit euh, Ousmane, c'est qu'on n'est pas encore à l'abri. C'est vrai que ça fait un bout de temps, on n'a pas eu de cas. Et je pense que ce n'est pas une raison de lâcher dans tout ce qui est mesure barrières. Aujourd'hui, on a une deuxième arme, c'est le vaccin. C'est vraiment un appel à toute la population, ceux qui se sont vaccinés, qui n'ont pas encore fait la deuxième dose, ou bien ceux qui ne se sont jamais vaccinés, c'est d'aller vers ces centres de santé pour se faire vacciner. Ce vaccin est gratuit. Il est gratuit. Merci, docteur. Euh, Laoli, selon vous, euh, qu'est-ce qui a fait défaut dans la gestion de la COVID et, ce qu'il faudra euh, corriger En termes de défauts, je n'ai pas vu bon, pas de défauts. Peut-être ce qu'il faut dire, bon, d'inciter les gens vraiment à, se faire, à venir se faire vacciner. Les vaccins, comme a dit docteur, c'est gratuit et c'est disponible au niveau de nos formations sanitaires. En conclusion, nous dirons qu'à la date d'aujourd'hui, malgré l'intensification de la sensibilisation, certains sont encore réticents par rapport donc à la maladie et à la vaccination. Toujours est-il que cette vaccination se poursuit à maladie doucement mais sûrement. Pour euh, débattre du thème gestion de la COVID-19 à maladie, quelle est la situation de la vaccination, nous étions donc avec euh, Ndungas, membre de la coordination départemental des immunisations au district sanitaire de la ville de Maradi. Docteur Cheibou Mei euh, Daokoli, c'est ça, docteur May responsable du centre de prise en charge des malades de la COVID-19. Ousmane Yakouba, vous êtes euh, responsable de la police sanitaire, mais également communicateur à la euh, direction régionale de la santé publique. Merci d'avoir répondu présent à notre euh, forum. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de, de participer à ce forum et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.